directrice du studio Kalango, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, c'est Rabia Meikano et je suis très ravie de vous retrouver sur cette émission que je vais co-animer avec Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment vas-tu Ça va bien Rabia et toi ça va, super. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information. Et comme invité aujourd'hui, nous recevons un spécialiste du rire, Hamed Ousmane, promoteur du Haraka Comedy Club. Nous ferons un tour en région, plus précisément à Maradi, pour parler de l'une des plantes les plus chéries par les consommateurs nigériens. Suivez-nous pas à pas pour en savoir plus. Et eh oui, Bibi, sans oublier les sports avec notre chroniqueur sportif Adam Saïrou du loti offert par les femmes du studio Kalangu et on finira avec les messages des auditeurs. L'édition assurée par notre dame de fer Adama Dawaki et la technique par Mustafa Ayouba. On débute cette émission avec les flashs d'informations présentés par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Rabia Mekano. Bonjour euh, Mariama Adé. Nous débutons ce flash d'information par l'agenda présidentiel. Le président de la République euh, du Niger, Mohamed Bazoum, qui s'est entretenu hier lundi 3 mars avec euh, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire en Libye, un pays déstabilisé par des conflits depuis la chute en, 2011 du président Mohamed Kadhafi. Le responsable onisien a indiqué être venu au Niger euh, dans le cadre d'une tournée qu'il a entamée dans les pays voisins du sud de la Libye après l'étape du Soudan et celle euh, du Tchad. Abdoulaye Batili a également rappelé qu'il a reçu mandat des Nations Unies pour euh, prendre des initiatives pour consolider la paix et la stabilité en Libye. Après une révision du coût des prestations par les autorités saoudiennes, le prix du Hajj 2023 au Niger est fixé à 3 258 733 francs CFA au lieu de 3 603 840 francs CFA, soit une baisse de 345 107 francs CFA. Cette annonce a été faite hier par le ministre du Commerce Al-Kash Alada lors d'une réunion d'information qu'il a présidée en présence des responsables du commissariat à l'organisation du Hajj et la Ombra, des responsables des agences de pèlerinage et des associations des consommateurs deux bandits armés interpellés, un autre en cavale et deux véhicules volés récupérés. sur le bilan d'une poursuite engagée par les éléments de la garde nationale en poste à Issaknan, département de Kirozirine, samedi 1er avril après le vol d'un véhicule sur l'axe Tagaza-Arlit dans la région d'Agadeza. Le véhicule volé a été abandonné par les bandits à 150 km à l'ouest de Tagaza après plusieurs échanges de tirs, nous apprend le journal Aïr Info basé à Agadez. C'est tout pour le flash d'information de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 4 avril passer donc euh, d'agréables moments en compagnie de nos collègues Mariam Adé et Rabia Meikano. Merci bien, Mokhtar. Comme annoncé en début de mission, nous recevrons sur ce plateau Hamed Ousmane de Haraka Comedy Club. Avec lui, euh, que nous attendons incessamment, nous voulons tout savoir sur le stand-up, ce one-man show qui fait rire le public pendant des heures. Mais avant, chers auditeurs, pendant ce mois de Ramadan, écoutez quelques conseils d'un prédicateur sur le mois. Il vous souviendra que les jours passés, nous avons évoqué certains actes qui annulent le jeûne. Ce soir, le prédicateur Oustaz Haladou nous parle des actes qui sont tolérés pour euh, le général. Il est joué au téléphone par Hawa Ousmane. De la même façon qu'il y a des actes qui annulent le jeûne, il y a quand même euh, des actes euh, qui sont tolérés, excusables pour un Parmi ces actes, il y a le fait de manger ou boire par négatif. Il y a le fait d'avaler la salive, même si elle est abondante, mais sauf si on le fait l'objectif euh, d'étancher sa soif en réunissant la salive pour s'alimenter. Là, c'est pas toléré. Vomir involontairement. Celui qui vomit involontairement peut continuer son jeûne. C'est aussi toléré. Se trouver le matin en état d'impurité majeure, c'est-à-dire euh, la janaba, euh, c'est un acte toléré. Euh, lorsque quelqu'un en dormant arrive à se satisfaire naturellement, c'est-à-dire aimer du sperme, là aussi c'est un acte toléré. Parce que le prophète Mohammed a dit la responsabilité de l'enfant, du fou et de celui qui dort est dégagée. Chers auditeurs, comme annoncé, nous avons notre invité du jour qui vient juste d'arriver. Bonjour Ahmed. Bonjour Rabia. Ça va, tu vas bien Ça va, ça va bien. Ravi de te recevoir ah, sur cette émission. Le plaisir est pour moi, le plaisir est pour moi. Ben, voilà Ahmed, nous débutons déjà par notre première question. Nous aimerions bien savoir que veut dire le stand-up. D'où vient ce genre comique euh, merci déjà, euh, Rabia. Euh, donc, le, stand-up veut juste dire en, français le monologue du comique. D'accord Voilà, monologue, comme, comme ça, ça l'indique, c'est vraiment une personne qui parle. Voilà, donc le stand-up, c'est surtout anglais, en fait, c'est le terme anglais. Donc, et c'est né, au fait, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis. Hein. Donc euh, c'est de là-bas que petit à petit ça, ça, a commencé à venir déjà en France et que bon de la France vous comprenez que l'Afrique a, adopté, l'Afrique a adopté. Mais sinon vraiment comprenez le stand-up comme étant le monologue de comique. Mais qu'est-ce qui le particularise des autres genres comiques Oui, bon, là je parle de, monologue au fait. Euh, le stand-up, un stand-upper n'a besoin que de lui-même au fait. Donc il n'a pas besoin d'un orchestre autour, il n'a pas besoin d'une euh, d'accessoires ou de, de, de quelques gadgets que ça soit, c'est-à-dire il a besoin juste du micro. Et le micro aussi, c'est pour atteindre le maximum de, personnes. Et il parle, il parle, il, prend le public à tout Tout repose sur lui, au fait. Tout repose sur lui, tout tourne autour de lui. On parle aussi souvent de one-man show. Ok. Mais euh, bon, comme en musique, on voit bien qu'il euh, il y a des grands il y a des grandes figures qui inspirent. Dans le stand-up, qui sont les grandes figures qui inspirent les plus jeunes euh, Je vais essentiellement parler de, des jeunes euh, africains, hein, surtout francophones. Euh, parce que les plus grands stand upers c'est vraiment les, les États-Unis. Quand, quand, on va vous dire que et euh, Eddie Murphy, il fait du stand-up. Euh, ah oui Oui, <laughs> voilà, ah il y en a beaucoup qui sont, qui sont vraiment passés, beaucoup d'acteurs, surtout noirs américains. Mais euh, la jeunesse africaine, surtout francophone, surtout orientée vers Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, il y a Dieudonné aussi, qui est un Camerounais, un franco-camerounais. Il euh, y en a beaucoup. Bon, en Afrique aussi, on en a. Hein. on, regarde bien. On ne peut pas citer de l'humour euh, sans parler de Maman Gondwana. Ah oui, euh, <laughs> le Maman national. Voilà, de, ce qui est un grand promoteur aussi de, de l'humour stand-up ici en Afrique francophone. Sinon, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup au fait. Alors, Ousmane, on aimerait savoir sur quoi repose un bon spectacle de stand-up. Euh, un bon, bon, c'est quoi repose un bon, un bon spectacle ben, Écoute, le public, déjà, <laughs> il faut, euh, il faut que le public soit là parce que ça ne sert à rien de se parler seul. Si c'est pour se parler seul, on peut le faire devant le miroir. On est d'accord. Mhm. Mais il faut, il faut du public, il faut, il faut effectivement que, que l'artiste ou le, le stand-upper soit dans sa peau, comme on dit. Euh, j'ai souvent, euh, euh, souvent, je prends le cas de, des plus grands footballeurs, Messi, Ronaldo, eux aussi, ils peuvent arriver des jours où ils ne sont pas dans leur assiette. Mm. Donc, mais vraiment, le stand-upper a besoin d'abord de son public. Après, il faut, il faut, il faut qu'il ait son micro et que la scène est là. Ben, écoutez, c'est pas, ça ne demande pas beaucoup. C'est vrai quand on parle comme ça, mais mm il faut comprendre que c'est un, grand, un grand travail déjà, parce que venir parler seul devant un public, euh, souvent à plus d'une heure, deux heures de temps, c'est pas chose aisée, vous comprenez. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans les stand-up ah oui, oui, oui, oui, oui, bien sûr. On, ah sort, de, on sort de ce studio. Maintenant, vous me dites que vous voulez être humoriste. je, vais vous, je vais vous montrer les, Tout le monde peut être parce que euh, c'est vrai que les gens souvent euh, se, trompent euh, sur, quelques lignes. C'est-à-dire, on peut croire que quelqu'un qui fait rire généralement les gens, facilement, il peut devenir stand-upper. Or que non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. La scène, c'est autre chose parce qu'il y a des techniques. Si je vous dis aujourd'hui que euh, les, en matière d'humour de, stand-up, il existe plus de euh, une centaine de ficelles, c'est-à-dire procédés humoristiques, on les appelle. Donc il y a plus d'une centaine. Et que chaque, oui, et que les humoristes qui sont sur scène, tous ceux qui sont en train de dire, ils savent exactement pourquoi ils sont en train de le dire, quels mots ils ont placés ici et pourquoi ils l'ont, ils l'ont placé, pourquoi cette chose-là, ils l'ont dite de cette façon et pas de, celle-là. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment c'est énorme. Donc, euh, pourquoi je dis que tout le monde peut le faire ben, Il suffit de travailler. Il, faut, il suffit juste de comprendre ces, choses-là. Bah, parmi mes humoristes, j'ai par exemple un qui s'appelle Maman le timide. Il est vraiment, vraiment timide de nature, mais pourtant, quand il prend le micro, il monte sur la scène, c'est autre chose il parle, il n'est pas comique sur son visage, il n'y a rien de, drôle, mais quand il parle, tu, es obligé de <laughs> es obligé de rire. C'est ça, en fait. Tout le monde peut, faire ça. Ok, maintenant revenons euh, au spectacle de Haraka Comedy Club dont vous êtes le promoteur. Comment ce spectacle a vu le jour Oh, bon, ça remonte vraiment. J'étais étudiant, bon, naturellement, j'étais <laughs> étudiant au Ghana. Donc j'avais dans mon, dans mon ordinateur beaucoup de, de spectacles. Euh, je, regardais les Jamel Comedy Club. Et il y a même euh, euh, parmi un de, de ces numéros-là, il disait, ils étaient à sa troisième ah saison. Ah oui, Jamel, c'est un grand du stand-up, voilà, lui. Voilà. Hein, <laughs> c'était, je crois, sa troisième saison. c'était le premier numéro de sa troisième saison. Il dit, bon, voilà, on a notre propre, tu vois, dans l'humour, parce que j'ai compris que les deux premières saisons, il les faisait euh, enfin, à travers euh, la ville de Paris. Mais là, la troisième saison, il a pu même avoir son propre local et les gens viennent pour. Euh, donc il dit voilà, on a notre propre ca, cabaret, quoi. Ils sont en train. Et là, je, je, je, regarde, je vois les humoristes, comment ils défilent, comment. je dis ok, d'accord. Moi, ça me plaisait beaucoup, énormément, hein, parce que j'aime beaucoup rire et faire rire aussi. Bon, Maintenant, j'étais revenu entre-temps. Bon, voilà, je me suis adonné à beaucoup d'activités. De, Après, je me suis dit, ah, la façon dont l'humour est en train de grimper côté notoriété, genre euh, dans le monde entier, le, le Niger ne peut pas rester juste comme ça. Donc, euh, entre-temps, j'ai croisé un humoriste euh, promoteur aussi, nigérien ici, qui était, qui était en train de préparer son festival, qui s'appelle Riraniame, c'est Hiro. Mhm. Donc, euh, on a préparé le festival, le, la première édition de son festival, ça a été vraiment une réussite. Bon, après, je me suis dit, mais ok, le festival, oui, mais il faut un comédie club permanent. Il faut que quelque chose soit là où vraiment les, les jeunes peuvent... Euh, tourner, où l'humour aussi peut tourner, où la population peut aussi découvrir cela. Vraiment, c'est dans ce sens-là qu'en 2019, on a décidé avec mon, collaborateur Alain, on a décidé de mettre en place euh, le Comédie Il faut juste souligner que ça n'a pas été facile. Ah ben oui, il hein. fallait. Il n'y a pas cette culture. Non, mais c'est voilà. donc il fallait, euh, fallait vraiment se serrer la ceinture parce que nous on, était dans le domaine de, la musique. Vraiment, on a on a notre petite expérience du côté de la musique. Donc on s'était dit, bon, on va transporter ça un peu et puis créer juste des artistes euh, stand-uppers. Au départ, euh, comme c'est pour faire rire, vraiment, ça n'a pas été difficile de, trouver des jeunes qui voulaient le faire. Ils étaient 11 au premier numéro du Haraka Comedy Club. Je pense que Rabia vous y étiez. Ouais, <laughs> j'y étais. Euh, avec Dondi. Super, Donc, euh, et là, on a lancé, on s'est dit, bon, on va sur un premier truc. On lance, on essaye. Qui, qui, qui, qui, ne, qui ne tente rien à rien. Hein. Donc on a tenté, ils étaient 11 et c'était vraiment, moi-même, ça a dépassé toutes mes espérances. Et bon, voilà, c'est euh, comme ça que c'est parti. On s'est dit on pouvait le faire de façon mensuelle. Il suffisait juste de se préparer. Et c'est comme ça que chaque mois, on prépare un, spectacle. On répète un tout au long du mois pour préparer le. Et au fur et à mesure, le public aussi a, adhéré. Parce que là aussi, des gens nous ont dit mais alors Aran Karam Haran dit, vous êtes rassasié apparemment. Hein. <laughs> les gens cherchent à manger, vous, vous voulez nous... voir un peu que non, ça ne peut jamais marcher au Niger, les gens ont faim, donc c'est quand on est rassasié qu'on pense à rire. Bon, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent euh, ces genres de... Mais vraiment, on a eu un public formidable depuis tout ce temps. Le public vient partout, on a la preuve, même quand on change de lieu, ils sont toujours là. Ils sont Quand toujours. Quand on change aussi du prix, ils sont là. Parce que ils sont là. Au ah, départ, on était à 1000 francs. Oui, oui, oui. On est actuellement à 5000 quand même. Euh, ben oui, il faut bien que. <laughs> Ah, oui, oui, oui. les lieux ont changé, les artistes aussi ont grandi. Il faut comprendre un publique. ouais, ouais. <laughs> Donc on est passé du café maintenant à. Oui, à, voilà, des endroits comme Radisson, voilà, tout ça. Donc euh, c'est aussi pour les mettre un peu dans le confort. Voilà. Parce qu'on rit aussi quand on est assez confortable. Ah, ah, ah. <laughs> oui, mais Mohamed, là, tu es avec nous. Euh, forcément, on va te demander euh, un petit truc là. Il faut bien faire euh, un peu rire. ah, moi tu un, petit truc, juste comme ça. Juste une histoire comme ça. <laughs> Ben oui, tu peux... vous avez raté le casting. Parce que <laughs> moi, je ne fais pas rire euh, les, gens. Ah, t'en fais plus Ou tu ne faisais pas déjà à non, la base non, non, non. À la base, je suis présentateur. Moi, je présente. Ah, tu présentes juste Oui, je présente les shows. Parce que ça aussi, c'est parce que. Mhm. et Jamel, il présentait. Mais Jamel était un humoriste à la base. Oui, à la base, oui. Mais moi, c'est juste que euh, tous les humoristes euh, allaient, devaient prester. Donc il fallait que quelqu'un se, sacrifie. Donc euh, donc c'était moi pour euh, je présentais juste. Donc euh, c'est juste la présentation. Non non non non non jamais jamais. Ok pourtant il veut embarquer tout le monde. Hein. Oui, oui oui bon vous savez c'est comme ça. Hein. Je, suis comme ce vieux marabout qui dit faites ce que je vous dis. Ben, Ahmed, nous allons euh, poursuivre euh, cette édition avec la deuxième partie de notre entretien, Mariam. Et euh, voilà, c'est vraiment tout sourire quand on échange avec toi sur cette édition aujourd'hui. Ah ben moi, je me plais bien ici. Hein. <laughs> voilà, Ahmed, ils sont nombreux les stand-uppers sur la scène du Haraka Comedy Club. Mais comment vous avez fait pour réunir autant de jeunes autour de cet art pourtant à la base, c'est pas quelque chose qu'on connaît. On connaît les yazidogos, du logo, oui, et tout, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît. Oui, oui. Ben, écoutez, mais Hamad, tu nous excuses. Hein. En attendant, on va écouter les conseils du nutritionniste. Hein. Oui, oui, c'est important aussi. Ah oui, ok. Voilà. Donc, euh, on écoute le nutritionniste et on se reprend juste après. Lorsqu'on prend de l'eau trop froide, c'est pas bien. Lorsqu'on prend de l'eau trop chaude, c'est pas bien. Quel que soit l'ordre dans lequel vous consommez cette eau-là, quand c'est trop chaud, c'est pas bien et quand c'est trop glacé, ce n'est pas bien. Que ce soit l'autre, l'un ou l'autre qui vient en première position. Et c'est pour ça, souvent, comme je l'ai dit, conformément à ce que euh, nous avons souvent vu, on a euh, une consommation de la date, c'est bien avant de consommer de l'eau chaude. On a une consommation de l'eau, entre guillemets, plate, pas très glacée, avant de se lancer dans la consommation des, des boissons chaudes. Il n'y a pas en tant que tel des conséquences euh, pour entraîner telle ou telle maladie. C'est simplement euh, une façon de dire que la meilleure euh, chose à faire pour profiter au maximum des potentiels de son organisme, notamment de l'estomac, c'est de donner de l'eau à température ambiante, surtout au départ. Éviter absolument les élévations extrêmes de température, l'eau trop chaude ou l'eau trop, trop, trop froide. Eh ben, merci euh, au docteur. Alors Hamed, euh, nous continuons cette discussion avec notre invité du jour. Alors Hamed, ils sont nombreux les stand à euh, sur la scène d'Arca Comédie Club. Comment avez-vous fait pour réunir autant de jeunes autour de cet art Oui, bon, écoutez, ça a été rapide. Déjà le manque de boulot. <laughs> vous comprenez que la, jeunesse... Euh, manque assez cruellement de, de, boulot. Et l'objectif, déjà, un des objectifs même pour créer le Comedy Club, c'était exactement ça. Il fallait trouver un mécanisme de, de, faire travailler aussi cette jeunesse. Donc quand on a débuté, ils étaient vraiment nombreux à avoir répondu favorablement. Parce que justement, il y en a qui étaient étudiants, c'est vrai, mais il y en a qui, qui étaient là, qui attendent peut-être un, boulot. Mais vraiment, euh, il faut comprendre aussi que l'humour, entre-temps, s'est développé, surtout en Afrique. À la télé, aujourd'hui, de nos jours, on voit ça dans nos, télés. Dans nos télés. Et il y avait aussi certains humoristes, enfin comédiens, qui étaient déjà sur le net, donc les web humoristes là. Parce que dans, le premier, la, première vague des humoristes de Arca Comedy Club, il y en a beaucoup qui étaient des, web euh, comédiens. Donc c'était vraiment facile parce que là aussi, on leur a montré qu'on était présent, qu'on était là, que c'était ensemble. Donc même si euh, tu n'avais aucune euh, notion ou tu, tu, tu n'avais pas de, de, de, qualité pour faire de l'humour, quand même, on, vous a, on leur a montré qu'on était là pour les guider, que euh, on faisait même venir des, humoristes hein, professionnels de la sous-région pour euh, les former. Donc on leur a vraiment montré que le cadre était là. Quoi. Il suffisait juste euh, d'être un peu sérieux et, ça, allait, ça allait marcher. Donc ils, ont, ils, ont, ils ont adhéré. C'était parti vraiment comme ça. Hein. Euh, ça n'a pas été difficile en tout cas d'avoir D'accord. Alors, habituellement, quelles sont les thématiques que vous abordez pendant, pendant vos spectacles et comment le public perçoit ce que vous faites Oui, euh, voilà, ça c'est une très belle question. Euh, normalement, on n'a pas de thématique fixe. Mhm. D'accord mhm. L'artiste vient avec ce dont il pense qu'il veut en parler. Oui. Donc, nous, on essaie juste aux répétitions de, de recadrer parce qu'il y a des sensibilités qu'il faut euh, respecter. Il y Bon, voilà, on essaye à travers les procédés humoristiques dont je vous ai parlé de cadrer un peu le sketch, de cadrer le texte pour que, effectivement, on ne puisse pas blesser dans le public. Mm-hmm. Donc. Euh, euh, on n'a pas, pas vraiment de, de, de, thématique fixe, mais ça peut parler de la femme. Si je vous prends juste le, thème la femme, c'est un humoriste peut parler au moins sur mille choses quoi, sur, qui touche. Euh, vous comprenez aussi, oui. Voilà, c'est c'est beaucoup de choses. La femme au foyer, euh, la femme euh, au travail, au travail mhm. scolarisation la jeune fille. C'est vraiment ça peut tourner sur beaucoup de choses. Mhm. On, parle aussi de, l'argent. il parle souvent de galère parce que naturellement galère c'est humoriste ces mais ça revient très souvent. mais il, nous est arrivé des, des spectacles où on prend une thématique fixe et on dit bon tous composer un sketch autour de ça. On avait fait pour l'école, on avait fait pour naturellement les fêtes de Ramadan, de, le Tabaski. Là, tous les sketchs tournent autour de, cette thématique. Donc euh, c'était cool aussi parce que au moins quand tu tout pour l'école là, vraiment ça a parlé de l'école. Waouh, c'était les gens, le public a adoré. Et justement, voilà comment le public perçoit parce que l'humoriste quand il euh, quand il fait son sketch, quand il est sur scène, il essaye au fait de c'est comme si c'est votre vie souvent qu'il vous déballe et vous êtes vous ne, pouvez, pas ne pas être insensible à ce qu'il dit parce que c'est vraiment les réalités certainement tout ça donc le public vraiment adore et aime ce qu'il font voilà Ahmed mais globalement que vise le stand-upper dans son spectacle et comment garder son public tout au long de sa prestation oui qui peut durer une heure hein, et plus c'est ça c'est ça c'est ça il faut comprendre contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on parle de stand-up, comédie, donc humour, tout ça. Euh, le spectacle, le, spectacle, on n'a pas besoin que ça soit drôle de A à Z. Non, justement, parce que je parlais de technique. Souvent, même pour rire, imaginez un spectacle d'une heure, trente minutes et tu veux faire des blagues pour faire rire la personne pendant 1h30 minutes, mais il va avoir des crampes au niveau de, du ah, c'est Clair. Bah il faut des petites pauses. Voilà, il faut des petites pauses euh, vraiment ingénieuses, c'est-à-dire c'est subtilement, tu places quelque chose dans la salle, le public euh, ne, ne, remarque pas au fait que maintenant on ne rit plus, mais quand même tu es à l'aise parce que euh, ça peut être aussi dans le texte, hein, dans le texte, il est en train de parler, peut-être là c'est juste un truc de sensibilisation, peut-être c'est voilà une histoire qu'il est en train de raconter, mais l'histoire est longue avant d'en arriver à une chute où on doit rire, tout ça. Il faut vraiment comprendre, c'est des techniques, surtout quand le spectacle est long. On ne peut pas demander aux gens, ça, ne peut pas vouloir les faire rire de A à Z c'est pas, pas bon. C'est pas bon du tout. Ben, merci Ahmed, ben, merci, d'être là. Merci à vous. On était tellement emballés qu'on j'ai failli me mêler les pinces. Heureusement que Mariam était là à la rescousse. <laughs> Merci à vous, vraiment. Ben, chers auditeurs du Niger sur Kalangu, euh, on va poursuivre cette édition avec la rubrique hebdomadaire qui parlera de santé. C'est ça, Mariam Eh oui, Bibi. L'utilisation des plantes naturelles particulièrement les plantes médicinales, et observées partout dans le Niger. Aujourd'hui, nous abordons l'impact de la prise de décoctions chez les femmes enceintes. Mariam, pour en savoir plus sur cette question, notre collègue Rakia Arimi s'est entretenu avec Dr Gibril Bonkano Bawa, nephrologue pharma-praticien au CHU Hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey. On l'écoute. La prise de, ces phytothérapies a des conséquences sur toute la population, que ce soit chez la femme enceinte ou que ce soit en population générale ou que ce soit chez des personnes présentant des pathologies. Ces médicaments ont des conséquences. L'une des conséquences les plus redoutables et les plus connues et les plus vues dans notre pratique courante, c'est vraiment l'insuffisance rénale. Il ne faut pas nier que ce sont à l'origine de beaucoup d'insuffisances rénales au Niger. Donc pour revenir à la femme enceinte, comme dans la population générale, ça peut donner des insuffisances rénales et ça peut aussi donner d'autres troubles, d'autres conséquences, parce que la phytothérapie, c'est des, des molécules et le problème, on ne sait pas leur quantité. On ne connaît pas la molécule type. Et voilà ce qui est à l'origine de ces conséquences-là. Comment elles se manifestent donc euh, l'insuffisance rénale se manifeste euh, le plus souvent par euh, des difficultés à uriner et aussi des patients qui vont venir avec des édèmes, c'est-à-dire des pieds qui sont gonflés, un visage qui est gonflé. Au stade terminal, c'est des malades qui sont aussi vus dans un stade de coma. Donc c'est des malades qui sont complètement plongés dans le coma et au à l'issue des examens que nous faisons, on se retrouve avec un rein qui ne fonctionne pas. Docteur, est-ce que ça a un impact sur les fœtus Il faut noter que euh, c'est des médicaments, donc il y a des médicaments tératogènes. La difficulté aujourd'hui, c'est de se prononcer par rapport aux effets tératogènes, parce que nous consommons des plantes dont nous ne connaissons pas les molécules qui sont contenues dans ces plantes. Donc il n'est pas exclu que certaines plantes euh, contiennent des principes actifs qui peuvent nuire au fœtus. Mais pour l'instant, on n'a pas d'études, d'études faites, surtout sur euh, les variétés de plantes que nous consommons au Niger et quel est leur effet euh, sur le fœtus. Mais globalement, il faut retenir que c'est des médicaments et que les médicaments en médecine peuvent avoir des effets tératogènes et nuire au fœtus et aussi nuire aussi à la maman. Comment traiter la maladie euh, Donc, euh, le, traitement, c'est vraiment la prévention. Parce que en médecine, on a l'habitude de dire vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense que euh, la population doit être informée que la prise de ces décoctions peut engendrer des problèmes de santé et que nous ne sommes pas contre la phytothérapie, mais le seul problème, on ne connaît pas ce qu'on prend, on ne connaît pas le dosage, on ne connaît pas les molécules. Merci docteur et merci à toi Rekia Arimi qu'on remercie à nouveau pour ce reportage décoction, oui, mais attention au dosage. Cap sur l'espace rose de cette édition avec la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, qui nous enseigne sur comment lutter contre la graisse du ventre Également, la rubrique rose et des astuces cuisine. Aujourd'hui, nous saurons comment rattraper une sauce trop salée. Retrouver un Rabia mécano, Rukaye et Fanta Shamsou. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, appelez-moi Rookie. Dans la rubrique de cette semaine, on va lutter contre la graisse du ventre qui obsède tant les filles. Salut les filles, moi c'est Fanta avec moi. Ça ne transpirera plus des aisselles et ça sentira bon. Et moi c'est Bibi, troisième chroniqueuse de cette rubrique, on va parler cuisine, le sel qui gâche souvent nos sauces. On va y remédier dans cette rubrique. Comme la rubrique Rose se veut un coin dédié à la femme et à la jeune fille, on va parler dans cet espace santé et bien-être d'une question devenue un véritable casse-tête pour les femmes. Comment se débarrasser de la graisse du ventre Selon le spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bello, ce problème peut être lié à notre alimentation. Docteur, on vous écoute. Le premier aliment, c'est vraiment le produit sucré. Lorsque on consomme trop de produits sucrés et les produits sucrés étant très riches en énergie, donc ça fait que tout de suite on va être dans une situation de dépassement énergétique. Et deuxième aliment qui est également impliqué dans les dépôts de graisse, c'est la consommation d'aliments gras. À ce titre, tout ce qui concerne les, les chocolats, tout ce qui concerne les beurre et la graisse qui est mauvaise, c'est vraiment la graisse qui se trouve dans les produits d'origine animal, donc on appelle communément les acides gras saturés. Et le gros problème de cette catégorie de mauvaise graisse, c'est que ces graisses ont l'aptitude à se déposer rapidement au niveau des, organes. Vous le savez maintenant, mes chéris, évitez la consommation excessive des aliments sucrés et des aliments gras pour garder une belle silhouette comme la mienne. Ah, Rocky, franchement, on te remercie, on remercie le docteur. Ça, c'est un gros problème. au fait, on voudrait bien enlever cette graisse, mais on peut pas s'empêcher de manger Fanta. Je te jure, moi, j'adore la bouffe. Tu vois, non Ça, c'est un gros problème. Fanta, on passe à toi à présent. T'as quoi pour nous aujourd'hui alors, Rémi, avec moi, on apprend à supprimer les mauvaises odeurs des aisselles surtout. L'aisselle, cette partie du corps qui est très en proie à la transpiration. Mais pas de panique, les filles. Aujourd'hui, avec Juma Kadija, notre blogueuse beauté, nous allons apprendre à nous débarrasser naturellement de ces odeurs. Juma, tu dis quoi Pour toute personne qui a un problème de transpiration, malgré qu'elle applique toujours du déodorant, l'astuce, en fait, c'est de chercher un citron. Tu frottes sous les aisselles après, tu prends ton bain. Après, maintenant, tu prends des feuilles de basilic, tu frottes sous les aisselles. Après, tu prends ton bain. Donc, les deux astuces-là sont valables. Sinon aussi, tu peux chercher de la bicarbonate de sodium qu'on vend en pharmacie. Tu fais une pâte, tu appliques sous les aisselles, tu attends quelques minutes. Après, tu prends ton bain. Donc, ces astuces vont aider à réduire la transpiration et ça va te, te, faire sentir, en fait, quand tu mets le déodorant, tu vas te sentir fraîche. Tu sais, il y, a des, y a des périodes de l'année où il y a des personnes, tu n'as vraiment pas envie de les approcher tellement. Ah, ça sent pas bon. Hein. Ah je te le fais pas dire. Hmm. Ça là, il faut vraiment emprunter les transports en commun pour vivre ça là même. Au fait, ce qui est bien avec cette astuce, c'est que c'est le citron, euh, ces ingrédients, on les trouve dans la cuisine. Ouais, et partout. Et partout, voilà. À moindre coût. Voilà, vraiment, c'est super intéressant. Ben, cette fois-ci, on va passer à la cuisine. Bien sûr, il faut se remplir le ventre. Le moment idéal pour nos jeunes cordons bleus de montrer leur talent à leur famille et amis. Mais juste à côté, il y a le sel, cet ingrédient qui peut tout gâcher si on ne le maîtrise pas. Je déjà. Cette blogueuse qui nous accompagne, merci à toi. Elle est blogueuse culinaire également et partage avec nous deux astuces. La deuxième est pour le moins surprenante. On l'écoute. Cette astuce-là est très pratique. C'est par exemple quand tu finis de faire ton plat et que tu te rends compte que c'est trop salé. En ce moment, il faut chercher de la pomme de terre, tu découpes et tu, jettes dedans. La pomme de terre là va venir aspirer en fait tout ce qui est sel qui se trouve dans la sauce. Et il y en a qui disent aussi on peut mettre des morceaux de charbon dans la sauce. Moi, je l'ai expérimenté. Et quand j'ai retiré le charbon, j'ai goûté le charbon, j'ai essayé de sucer. Et le charbon était trop salé. Donc, ça veut dire que ça aspiré tout ce qui est sel qui se trouve dans la sauce. Ok, je ne sais pas si euh, toi tu as un problème avec le sel aussi. En tout cas, merci à Dieu Makadija parce que moi quand je cuisine, c'est le sel. Mon problème c'est le sel. Ben oui. enfin, tu as le charbon. <laughs> Tu te rends compte mais franchement, moi, je savais pas. Toi, tu l'as déjà essayé Cette astuce du charmant Je viens juste de l'apprendre. Elle est surprenante, cette, euh, cette astuce. Eh bien, les amis, c'est la fin de ce premier numéro de la rubrique rose du studio Kalangu. Au revoir. C'était la rubrique rose. Mariam, direction Maradi pour parler du moringa, une plante très prisée par la population nigérienne. Grâce à cette plante, appelée aussi elmaka, beaucoup d'enfants sont sauvés de la malnutrition dans le village d'Arangode, dans la commune rurale de Kanambakaché, département de Mayaï, région de Maradi. Et eh oui, Bibi, cette plante contient beaucoup d'éléments nutritifs à l'organisme, surtout pour les enfants. Issouf Chebou à Mayaï. muna a garin arangode da ke cikin kwamin in kanan kashe a tsawon kilomita tara daga yamma wannan gari na arangode jama'ar garin sun tashi sosai inda suke amfani da zogala don kokowa da kwamaso ko tamowa ga yara da suka wuce wata shida da haihuwa malam abdurrahman musa malamin waye kai ne a garin arangode wanda suke fatakar da mata don amfani da zogala mu malaman waye kai idan muka samu yaron da ya kai wata shida kenan mutum nan za mu muta waye kai bisa ga abincin rake danta. akwai gari wanda ake yi na zogala. A cikin wannan gari na Arangode suna da garkar El Makka wadda ta samu da tallafin wata kungiya sannan ko masu gidaje sun shifka El Makka a cikin gidajensu. Malam Lawali Idi shine jami'in da ke bi gida-gida don auna yara. Da sai mu samu yaro fiye da tunaninka wajen yaro takwas har zuwa goma. Yanzu da wuya za ka samu yaro guda wanda zai kamuwa da wannan tamuwa mai tsanani. El Makka tana kumshe da sinadarai sosai masu amfani ga lahiyar uwa da kuma ɗanta. Malama na uwa ce mai ban nono kuma ta ga amfanin zogala. Muna ebo ta muna dahawa muna ci kuma muna koma muna daka garinta muna kada muna sha eh gaskiya mun ji daɗi tun da raba tamowa tamowa ko kwamaso tana da dalili da rishin abinci mai gina jiki ga yaro kuma ta kasu kashi biyu akwai ta rishin abinci mai gina jiki ga yaro da kuma wadda ke tare da rishin lahiya malam isaka shekaru shine jami'in kiwon lahiya a wannan gari na arangode lalle an samu ci gaba kwarai farafar ga da kamun yanzu a iske mu ko mu nan wurin mu kamun a ce iske mu an yi wani depistage an zo an kama na kadin manituri an turo gidan likita da sunan kwamaso gaskiya da sauki yanzu bisa wannan dai mutane sun maida ta tamka abinci ne na cikin gida tunda ta kawo su gyare-gyare cikin rayuwa uwa 'yanta. Cin zogala ta hanyar yin cuɗe ko komai da ta gari ana ba yaro babu yanda za a yi yaro ya fada cikin rishin sinadarai masu gina jiki kamar vitamin A kamar vitamin C da kuma calcium wanda ke ƙara ƙarfin ƙashi. Malama Maryamu Abubakar ita ce jami'ar da ke kula da cibiyar da ake kai yara masu fama da tamowa ko kwamaso a nan cikin likitar mai. yi. Idan mace tana da ban nono tana shan zogala na ce sinadaran nan wucewa cikin nono suke su gina jikin yaro su kare lahiyar shi kenan babu wani shi wata rama har shi shiga kwamaso. idan ana sa zogale cikin abincin yaro kariyar lahiyar yaro cuta ko ta same shi ba ta in mishi ba sosai babbar cuta da take kariya ga yaro ita ce kwamasu zogale ta in ma kwamasu ba kaɗan ba a wannan jihar zamu ta mai yara da dama na fadawa cikin tamowa wadda ke da dalili da rashin abinci mai gina jiki ga yara amfani da el makka zai taimakawa sosai ga ceto yara kar su kamu da tamowa kuma su kasance masu gugguba a cikin ƙoshin lahiya Chers auditeurs, la technique nous signale Issoufou Cheibou au, bout du fil. Bonjour Issoufou. Oui, bonjour. Merci pour ton reportage. Et Mayaï, ça va Ah, ça va bien, alhamdulillah. Super. Issoufou, on aimerait bien savoir comment cette plante est préparée pour la consommation des enfants malnutris, la préparation. Donc, vous savez, il y a deux préparations qui sont en train de faire. Ils transforment ça en farine et préparer ça avec de la bouillie pour donner aux enfants. Surtout les enfants qui, après six mois, donc on ça comme étant un aliment de complément à l'enfant. Et cette hmm. plante contient beaucoup d'éléments nutritifs. Ok, et la deuxième préparation la deuxième préparation, c'est donc il arrive à partir à cueillir, à prendre cette plante-là, les feuilles de cette plante-là, et il vient, il prépare ça. Et il, met de l'arachide et pour donner ça aux enfants. Voilà, quoi quoi oui, pardon, oui. <laughs> ok. Quel autre bénéfice tire-t-il de la production du moringa, hormis la consommation donc, hormis la consommation, donc, c'est un élément avant de ce qui va du tout augmenter le taux de revenu de, cette communauté. Ok. Ben, merci Issoufou. On se dit à très bientôt. Merci. Voilà. Passons. Euh, Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Passons à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sahirou. Bonjour, bonjour Adam. Bonjour Abi, bonjour Mariam. Alors Adam, la date officielle de la CAN 2023 est désormais connue. Oui Mariam, le 13 janvier 2024 la date officielle de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2024. L'annonce a été faite euh, jeudi dernier par la Confédération africaine de football. Cette compétition africaine se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire avec au total 24 nations. Adam, mais quels, quels sont les pays qui se sont déjà qualifiés pour cette Cannes Alors, à l'issue des quatre premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, nous connaissons désormais l'identité des sept des 24 nations qui, qui prendront part à la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Adam, quelles sont les chances de qualification pour le Niger après les défaites face à l'Algérie pour le compte de la troisième et quatrième journée alors, sachez tout d'abord que le MENA national a toujours son mot à dire dans ses éliminatoires. Si le Niger gagne ces deux rencontres face à l'Ouganda et à la Tanzanie et espérer une victoire de l'Algérie sur l'Ouganda, Allons à présent à l'international où plusieurs équipes sont à la recherche d'entraîneurs. Oui, nous irons, nous irons, plus précisément en Angleterre où Grand Potter a été a refusé une offre de prendre part sur le poste d'entraîneur de Leicester City par après avoir été limogé par Chelsea il y a seulement quelques heures, selon le site Talksport. Et selon le journal Daily Mail, Potter attendra l'été avant de prendre une décision sur l'endroit où il ira. Cependant, les dirigeants des Blues ont choisi plusieurs noms pour succéder à Potter, dont Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern, Luis Enrique ou encore Mauricio Pochettino. En attendant, c'est Bruno Salstor qui assure l'intérim avant la nomination d'un nouvel entraîneur à Chelsea qui jouera d'ailleurs ce soir un derby face à Liverpool, une autre équipe qui souffre actuellement en championnat après être éliminée par le Real de Madrid en 16e de finale de la Ligue des Champions. C'est la fin de cette chronique sportive, Rabi, Mariam. Merci Adam Sariou, on se dit à très bientôt. Oui, Inch'Allah. Voilà, hum, Mariam, je crois que c'est le moment de passer à notre portrait du jour et notre star du jour est aujourd'hui avec nous au studio. Bonjour à euh, Moussa. Bonjour mesdames. Voilà, nous recevons euh, dans ce studio Boubacar Jubo euh, Moussa Di Boubé Ego, artiste plasticien. Oui, bonjour à tous et, je vous remercie pour l'invitation. Merci à toi de répondre à l'invitation. C'est vraiment une chance et une opportunité de partager mon portrait à travers votre antenne. Et donc je suis un artiste nigérien, plasticien. Et mon atelier se trouve ici à Kwarakano. Je me suis lancé dans l'art en 2005 à Agadez. Mhm. Mais je dirais que je suis né artiste parce que je suis depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner, mais en ignorant l'existence de l'art. C'est en étant grand, en 2005, que j'ai pu, grâce à une rencontre d'un artiste guinéen, eh, qui m'a initié qui m'a fait vraiment découvrir ma vocation, qui est l'art, et que je me suis lancé depuis. Et je continue jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. Ok, mais quand on dit artiste plasticien, qu'est-ce que vous faites exactement Des tableaux, des sculptures Qu'est-ce que vous faites L'art plastique, en fait, ça englobe beaucoup de choses. généralement, moi, mon côté, c'est la peinture. Je peins des tableaux, des œuvres d'art et je fais différents styles parce que je suis <laughs> un peu, je suis autodidacte donc j'ai pas de limite quoi. Dans l'art, je suis vraiment dans mon monde et je fais beaucoup de choses. Mais il y a aussi d'autres, euh, comment dire, euh, qui font la sculpture et d'autres créativités qu'on peut appeler des plasticiens. Mais moi, je suis peintre, je fais la peinture. Alors, Moussa, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à l'art plastique euh, c'est comme je vous disais, je suis né vraiment avec la passion de l'art. Depuis tout petit, j'aimais dessiner et en grandissant, je me suis retrouvé comme beaucoup de jeunes après l'école au chômage. Je cherchais euh, du travail à faire, mais je n'arrivais pas à trouver jusqu'au jour où j'ai rencontré, euh, il s'appelle Mohamed, un artiste guinéen, et j'ai assisté à quelques séances. Il a travaillé, j'ai regardé, et direct, euh, genre, c'est comme mon, œil s'est ouvert, quoi. J'ai compris que ça, c'est ma passion. Et grâce à Dieu, j'ai le talent. Donc, je me suis lancé dans l'art. Et petit à petit, j'apprends. J'évolue. Ok, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier euh, Ce métier, particulièrement au Niger, je dirais qu'on n'est pas vraiment à notre place parce que l'art, et ignoré par la majorité des populations, ce qui fait que très rares sont les gens qui connaissent la valeur de ce que nous faisons et qui, qui nous accordent des chances de travailler. Et la deuxième chose, c'est le manque de soutien, parce que les institutions, le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de soutien dans le domaine de l'art. Et il n'y a pas beaucoup d'activités aussi, comme des festivals, des, des foires. Il y a certains moments des concours, mais pas beaucoup d'activités qui peuvent aider un artiste à vraiment vivre de son art au Niger. Et quatrième difficulté, c'est entre nous les artistes. Et jusque-là, chacun, nous sommes trop divisés en fait. Nous n'arrivons pas à nous unir afin de combattre pour des grandes causes qui peuvent nous aider à évoluer. Oui, tous ensemble. Justement, on allait vous demander si euh, vous vous en sortez malgré ces difficultés. Ça va euh, Grâce à Dieu, ça va, parce qu'on dit le travail paye. Et quand on a vraiment le talent, même s'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de consommateurs d'art, on arrive quand même à avoir quelques gens qui s'intéressent, qui achètent. Et moi, en, en inconscience de mon pays, je ne me suis pas limité uniquement à des tableaux. Je fais aussi autre chose à part les tableaux pour pouvoir survivre et continuer mon art. Je donne des cours de peinture présentement. Eh, je donne des cours de peinture à l'école américaine, à l'école de l'ambassade. Et je fais aussi des formations dans des ateliers de formation avec des ONG. Je fais aussi la calligraphie, peinture, tout ce qu'il faut, mais toujours dans le domaine de la qui peinture. Tourne autour de la peinture. Voilà, pour pouvoir gagner un peu, acheter des matériaux, survivre et continuer mon, combat dans l'art. Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage et euh, bonne chance dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Et <clears throat> nous poursuivons, euh, amis auditeurs, euh, cette édition avec voilà, notre rubrique culinaire, Mariam. Les Niger Circalangou fait plaisir à nos papas avec plusieurs recettes. Voilà, oui Mariam, aujourd'hui dans la rubrique recettes culinaires, nous nous sommes intéressés à la préparation des feuilles de corette potagère qu'on appelle fokufoy. Perso, j'adore cette sauce, selon Madame Goumer Amina Abdou, promotrice du service traiteur. Isikida. Merci, deux méthodes existent pour la préparation de cette sauce. et le au micro de Fanta je vous propose aujourd'hui la sauce faite avec la poudre de feuilles de courette. Donc euh, pour cette sauce, le plus important, ce sera la cuisson. Je vous conseille de laisser cuire longtemps, c'est ce qui donne un bon goût et permet aux feuilles de courette de libérer tous leurs arômes. Vous allez commencer par préparer une sauce ou un bouillon avec de la viande, la viande de votre choix. Vous pouvez mettre aussi du poulet, c'est original et ça change. Vous faites sauter votre viande, vous rajoutez des oignons émincés, un peu de tomate fraîche. Laissez cuire jusqu'à ce que la viande commence à s'attendrir, puis rajouter de l'huile. Faire sauter quelques instants. Si vous aimez la tomate concentrée, c'est le moment de la rajouter, mais ce n'est pas obligé. Vous faites frire encore quelques instants, rajustez un peu d'eau, ajoutez un mélange d'ail, piment frais, sumbala pilé. Vous allez encore laisser mijoter quelques instants en surveillant. Une fois que votre sauce est bien compacte, rajoutez suffisamment d'eau et versez votre poudre de courette en fouettant à l'aide d'un fouet manuel. Diminuez le feu, couvrir à moitié et laissez cuire pendant au moins deux heures de temps. De temps en temps, venez remuer pour que ça n'attache pas. Plus vous allez laisser cuire, plus la sauce aura du goût et sera encore plus bonne. Euh, une fois que l'huile commence à surnager, vous pouvez servir avec de la pâte ou du riz. Et pour ce qui est de la deuxième méthode la sauce de courette avec des feuilles écrasées, pas pilées. Donc on va commencer par trier les feuilles pour retirer toutes les impuretés. Ensuite, vous allez mettre un peu d'huile et écraser vos feuilles à l'aide de la main. On a besoin de brisure, mais pas d'une poudre très fine. Au fur et à mesure, vous tamisez et vous réservez de côté votre brisure de feuilles de corette, focou. Vous les réservez. Mettez un peu d'huile dans une casserole. Rajoutez votre poudre de focou. Mélangez bien à feu très doux. Une fois que vous aurez une bonne odeur qui se dégage, rajoutez un peu d'eau et laissez mijoter. Pendant ce temps, faites cuire votre viande ou votre poulet avec des oignons, de la tomate, de l'ail du sumbala et de la tomate concentrée si vous en aimez. Je n'ai pas mis d'huile parce que le foku contient déjà assez d'huile. Une fois que votre bouillon est bien fait, vous mélangez la sauce de courette qu'on a fait frire, mélangez bien à l'aide d'un fouet, laissez mijoter encore 30 minutes et servir chaud avec du riz de préférence. Merci Fanta. Mariam, euh, malgré le jeûne, ça donne envie, hein, cette ah recette. Oui, passons à présent à la réplique Lotti des desks des femmes du studio Kalangu qui porte aujourd'hui sur l'assassinat des époux par leurs épouses. Voilà, l'assassinat des époux euh, par leurs épouses, quelque chose qui est fréquent chez certaines femmes quand leur époux décide de prendre une seconde femme. Raki Arimi et Samira Rafi, ils nous en disent plus. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji hm, zai zo ya iske ni cikin gidan ga. wa zai yi ma wannan abu ni da nike nan cikin gidan ga tun yana bakin bakin bakin baturen shi makwabciya ina kwana ina jin ki tun cikin dan gidana ni na arziko kina waya ne amma sai nace barin matsuwan gani ko me ke faruwa sai tashin hankali kallon niki gani da Allah ina da muni a'a walla baki da muni ko daya to in ba haka ba kenan na tsuwa baki tsuwa ba mine ne irin wa'yan tambayoyi da kike mini wai mijina zai sake aure bayan dukkan bonen da muka ci tare da shi wai zai mini kishiya yanzu da yake da kattan motocin shi da gidajen shi manya-manya da ya gina hmm. ni ko dai ko in dai da raina wannan abun ba ya faru ba haba tsaya mare kwantar da hankalinki ba hau ƙarshen duniya ba ne kun baki bace ta farko da an kai ma kishiya kun baki zaki zama ta karshe ba ya kamata ki yarda da wannan abun saboda kwanci hankali cikin iyalinki musamman saboda iyanki ya kamata ki mai da kanki babba ke ku don mijinki ya samu ya girma daki ita ma wadda za ta zo ta girma daki. Ni har abada wallahi na ce miki har duniya ta naɗe in kuma ya kafa sai yayi wannan auren zai san da ni wace ce wallahi tana yi wa in yi abin da baki tsammani. Subhanallahi bar magana hakan ga mari mu musulmai ne kake mance kuma ki sani Allah ya riga ya kaddara da sai an miki kishiya hoyi miki ita za a yi kenan kawai ki yarda bai kamata ba ki ta wani abu da zai zo ya ja miki wata matsala daga baya hmm. amma wallahi kadi har yanzu baki sani wace ce ba kin ga da farko zan kashe shi in kashe kaina na gani wani auren za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa kuma kina nufin kina son ki kashe mijinki saboda aure wallahi ki hankali da abun da ke hitowa cikin bakin ki mari abin da kike gayi mari ya kazamce kuma za ki samu matsala da hukuma. Hukuma? Kwarai da gaske, saboda dokokin ƙasar Nijar sun ce duk wanda ya kashe wani ana iya kai shi kurkuku sai ya mutu, koko a kama shi kwaso ɗaurin rai da rai kuma a yi mai shari'a daidai gwargwadon abin da ya yi in kashe mutum ne ya yi in wani abu ne ya sami shi cikin abinci ya ce mutu ke dai gashi nan dai. Me nake shirin ji? Me kike haɗi min haka? To duk abin da ka yi ma wani in aka kama ka kai ma irin shi za a yi maka kuma za ki bar yaran ki su yi rayuwa cikin kunya a ce ku dibo ga suna yaran da uwarsu ta kashe babansu za su tsane ki sai sun mutu abu wanda ya fi tsanani ma za ki bar su a matsayin marayi tun da ke kina kaso in dai baki sa a kashe kanki ba da ki in ke kashe mijinki kuma ke gani haki ke hita me za su zama dan Allah ki kwantar da hankalinki ki san abin da kike yi <laughs> a matsayina na shugabar mata da ke iko a cikin gidajensu me mutane za su dube ni da shi <laughs> in na yarda ya yi wannan auren ba wata mace da ke cikin kungiyar nan da za ta girmama ni na shiga uku a ke ko ki duba abubuwa masu kyau cikin wannan halin za ki ɗauke ta ke ga kamar ƙaunake za ku raba ayyuka kin ga za ki huta kuma ki mai da ki bisa yaranki <laughs> in raba mijina da ita kuma in raba kuɗin da yake bani da ita. <laughs> Haba Keko, ai dole haka za ta samu, da ta riga ta taya ki aiki, ai ya kamata wasu abubuwa su ma da wani jin daɗi da ke ji su ɗan rage tun da kun zama ku biyu, amma ki duba in kika bata kulawa. Komai zai tafi daidai babu wata matsala da za ku samu. Hmm. Ka wannan abun dariya yake baki dan bai zo gare ki bane in lokacin ya zo gare ki kin san me nike je a raina. Haba dan ke ga ina ni ɗaya a nan to sujet plutôt délicat. Merci les filles pour vos conseils et astuces toujours très utiles. L'émission du Niger Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Et eh oui, Mariam, aujourd'hui, on va découvrir le mot terroriste avec Mamanada. Bonjour Maman. Bonjour Ravi. Aujourd'hui, c'est notre culture linguistique, c'est le mot terrorisme. par définition, le terrorisme est un ensemble d'actes de violence, euh, exemple attentat, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour faire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Eh, terrorism da Hausa a cewa ta'addanci, da an ce wannan dan ta'adda ne to kawai an ce wannan terrorist ne. Voilà, merci bien Maman Nada. Euh, Mariam, ils sont nombreux les auditeurs du studio Kalangu à réagir sur les programmes que nous leur proposons. On les écoute. Ni ne Musa eh, Badamasi wanda ake ce mani consul shugaba ne na kulab kulab da fada fada a Zandar. Eh lalle kan mun wa Allah subhanahu ala godiya da eh, ya kamo mu ita wannan studio Kalangu wanda a gaskiya muna jin daɗi bisa kan shirye-shiryen da ake yi. musamman kuma da ake su eh, bisa kan wannan harshe namu na ƙasar Nijar kamar harshe biyar kenan a gaskiya an taɓo gabas da yamma kusum da arewa jansi zansi daban-daban na wannan ƙasa tamu kenan alhamdulahi kuma shi wannan studio kalangu eh, shirye-shirye nashi wannan a gaskiya yana ƙayatar da ni musamman Eh, shirye-shirye na wajen yara manyan gobe don saboda shi yaro an ce a bashi tarbiyya a bashi ilimi kuma a kula da kiwon lahiyar shi da sauransu kuma ba wannan aka tambo akwai fanni na wajen tsaro kasa in babu tsaro to wallahi babu inda za a je saboda su iko sun zama garkuwa ne namu a gaskiya muna ƙara yabawa da cito kalangu da ta hudu sa'a wannan ake samu ana yin wannan shirye-shirye kuma akwai abubuwa da suke katar ne musamman da ake ake zuwa a iske wannan fada-fada inda mutane suke zamne a e, yi bayani da su a kai tsaye kuma ana yi ana aika a gaskiya fi sabilillahi wannan suna ƙayatar ne kun ba wannan cikin watan biyu musamman sha uku da shi naji an hudo sabon lokaci daga sha ɗaya zuwa sha biyu fasahe a gaskiya lokaci ne wanda Eh, ya zama ƙari ne bisa kan wancan wanda ake na biyar zuwa bakwai na marece kenan a gaskiya shi ma na an yi tunani an yi nazari da aka samu aka hudo wannan abin da muke fata wannan su doka kalangu Allah ƙara jan zamanin shi kuma bayan wannan a samu a ƙara huddawa wasu abubuwa wanda za su ƙara ƙayatar da mu fiye da yadda muke tsamu Ça fait vraiment plaisir, hein, ces réactions d'auditeurs. accueillant à présent dans ce studio Rafika Ataher pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour Rafika, quels sont les titres de ce soir Bonjour Rabi. Alors pour ce soir, euh, nous allons d'abord commencer avec les 25 écoles qui sont fermées dans la région de Difa pour cause d'insécurité, soit 1602 élèves impactés, des enseignants redéployés dans d'autres localités. Vous aurez plus de détails ce soir. Ensuite, dans la ville de la ville de Tawa manque de pharmacie de garde. En effet, la ville ne compte qu'une seule pharmacie privée qui effectue la garde du soir. Vous suivrez la réaction de quelques citoyens. Enfin, la partie magasin va porter sur la prise en charge et l'entretien des enfants de la famille. Merci bien Rafika. À ce soir, ici prend fin cette émission de ce mardi 4 avril 2023. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Mariam Adé. L'édition a été assurée par notre dame de fer Adama Dawaki à la technique, Mustapha Ayouba.